Auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Niger sur Kalango. Ce mercredi 11 décembre 2024, je suis avec Fanta Chamsou pour la présentation. Fanta, bonjour, comment ça va Je vais bien, Rukaya, j'espère que tu vas bien aussi. Ça va très bien. Alors, on a quoi au menu du Niger sur Kalango on a le flash d'informations suivi de la musique 100% nigérienne, la rubrique hebdomadaire, le reportage des régions, le sport et la rubrique Loti. Et l'invité du jour, c'est M. Hamidou Hassan, le président national des L'édition est assurée par Adama Dawaki et à la technique, nous avons Amina Hassan. les auditeurs, nous démarrons l'émission avec le flash d'information présenté aujourd'hui par Nafisa Adamoussirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Kaya. Bonjour Fanta. Bonjour Nafisa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Une réunion de hauts fonctionnaires et experts de l'AES s'est ouverte hier mardi 10 décembre 2024 à Niamey sur le thème de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace de la Confédération AES. Cette réunion permettra d'examiner les différents scénarios relatifs à la libre circulation des personnes et des biens à la suite de leur retrait de la CDAO. Le Burkina Faso commémore aujourd'hui 11 décembre son, sixième anniversaire d'année d'indépendance. À la veille de cette fête, le chef de l'État du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a réaffirmé à la nation l'engagement de son gouvernement et de ses forces armées à éradiquer le terrorisme. Il s'est engagé aussi à protéger les richesses nationales du Burkina Faso. Enfin, la France a amorcé mardi le retrait de ses troupes stationnées au Tchad et ce conformément au sous de Djamena de rompre ses accords de sécurité et de défense avec Paris. L'état-major français a annoncé le départ définitif des avions de chasse Mirage et de l'avion ravitailleur. Cela marque une étape clé de la réorganisation de la présence militaire française en Afrique et le gouvernement tchadien a également confirmé cette décision à travers un communiqué. Et c'est la fin de ce flash d'information. Bonne suite à vous. Merci beaucoup Nafisa pour ce flash d'infos. Et comme annoncé en début d'émission, nous avons comme invité M. Hamidou Hassan, président national des Bonjour M. Hamidou. Bonjour Madame. Ah, bienvenue à vous euh, dans cette édition du Niger sur Kalangou. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour l'opportunité mhm. que vous nous offrez. D'accord. Mais avant mhm. d'en venir aux discussions et aux échanges dans cette émission, écoutons le titre Mouchal l'école afin de permettre à nos auditeurs de bien s'installer. son vrai nom, Hadiza Abdoulaye Tawaye, ce surnom trouve son origine dans la légende saraunia Mangou, la reine et guerrière de Lugu dowanduki dont elle-même Hadiza est originaire. Hadiza Mangou commence sa carrière musicale en tant que choriste dans le groupe détendiste du chanteur Abdul Salam, puis elle a chanté Sherina et Bayani qui étaient des grands succès. Voilà, chers auditeurs, après cette belle chanson, nous allons passer à la première partie de notre discussion avec notre invité du jour, M. Amidou Hassan, président national des COGES. Rebonjour, M. Amidou. Bonjour, madame. Alors, M. <coughs> Amidou Hassan, eh, rappelez-nous ce qu'est un COGES. Euh, merci beaucoup, mais avant de rappeler, je ne suis pas le président du COGES, mais je suis euh, ah. un agent au niveau du ministère de en charge de l'éducation qui s'occupe des, des COGES. Donc, euh, le COGES, c'est une structure décentralisée, un organe de participation des partenaires et de la communauté à la gestion de l'école. Donc, qui regroupe en tout cas tous les acteurs euh, qui interviennent à l'école. Est-ce que ces systèmes euh, on peut savoir en quelle année il a été introduit dans le système éducatif Oui, vous savez, avec la Lausanne qui a été en, euh, de la loi sur le système éducatif, le qu'on appelle la Lausanne, qui a été votée en 98, et déjà au lendemain de la validation de cette, euh, de la promulgation de cette loi, il était question, en tout cas, euh, de faire participer les, parents euh, à la gestion de l'école. Donc, euh, timidement, et les, les COGES ont le vrai nom, ont, ont commencé à, partir de 2004. Mm-hmm. Oui. donc, c'est en ce moment qu'il y a eu un arrêté euh, qui parle du mot COGES. Mais bien avant, il y avait eu des expérimentations avec la Banque mondiale avec 500 écoles et 200 écoles dans un premier temps et petit à petit jusqu'en 2004 où en avril 2004 un premier arrêté a été pris pour <coughs> pour en tout cas euh, introduire les COGES dans tous les établissements scolaires du primaire mhm. dans un premier temps. Et monsieur, comment fonctionne, euh, fonctionne ce, ces COGES Les, COGES, donc, comme je l'ai dit, tous les acteurs, pour, que ça soit fonctionnel, il faut que, euh, dans un premier temps, que tous les acteurs, parce qu'il faut savoir que j'ai dit que tous les acteurs de l'école sont dans le COGES. Quand on dit au niveau local, quand on dit il y a les enfants eux-mêmes pour qui mm-hmm. les COGES ont été créés, il y a leurs parents, il y a les enseignants, il y a euh, les parents d'élèves. Donc, euh, tout ce beau monde-là font partie du COGES et que chacun doit amener un de ses, euh, de, ses membres pour constituer le comité. Le COGES qui est un comité pour constituer le comité, mais à condition que chaque groupe amène élise son représentant de façon démocratique. Donc il y a d'abord le, la notion de démocratie au niveau des, des, COGES. Après ça, ce COGES, une fois formé, doit euh, faire un plan d'action euh, avec la collaboration de tous les acteurs, surtout, surtout la, la communauté, c'est-à-dire les parents d'élèves. Donc, être capable d'élaborer un plan d'action, être capable de faire ses réunions et ses assemblées générales de façon régulière parce que les réunions de projet sont normalement mensuelles. Chaque mois, on devrait se réunir pour faire la situation de l'école. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Mhm. Et il y a des assemblées générales euh, trois fois au moins par an pour en tout cas euh, valider le plan d'action, faire la situation à mi-parcours et faire le bilan annuel devant les parents d'élèves. Et faire le suivi, c'est en ce moment qu'on dira que le COGES, en tout cas, fonctionne. Si, en tout cas, il y a la participation, puisqu'il y a cette notion de redevabilité que euh, le COGES doit envers la, communauté, mhm. qui, en tout cas, euh, les parents d'élèves font, sont le, la grande partie, en tout cas, qui constitue les, les COGES. Mhm. Et le COGES, on est d'accord que ce sont les comités de gestion mais alors, quel est l'avantage d'avoir un comité de gestion dans une école Oui, euh, l'avantage, euh, c'est que tous les acteurs, comme je l'ai dit, de l'école sauront ce qui se passe à l'école. Mhm. Et c'est une autre façon aussi de faire, puisque avant l'école, tout est centralisé au niveau du ministère. Ça fait que euh, tous les acteurs participent. Comme je dis, c'est un organe de participation de gestion. Mhm. Et particulièrement les parents d'élèves, euh, ils sont là et ils euh, participent à la vie de l'école, ils savent ce qui se passe. Euh, normal. C'est ça un des, un des, gros avantages de, ce, de la mise en place de, de cet organe au niveau de, de chaque école, que ce soit une école publique ou, privée. Mhm. Voilà, et, et ces gestes là c'est-à-dire qu'il euh, faut savoir que si peut-être ici nous nous sommes animés, euh, on, peut pas, on peut résoudre un problème rapidement, mais là-bas, dans la brousse lointaine, mhm. la, communauté, si elle sait qu'il y a un problème, elle peut aider, elle va aider et elle doit aider. Donc, euh, c'est pour répondre parfois au plus pressé en attendant les efforts de l'État. Mhm. Merci beaucoup, Monsieur Hamidou Hassan, pour ces éclaircissements. Avant de continuer cet entretien, nous allons souffler encore une fois de plus en musique avec le titre Jahilti, une chanson interprétée par le groupe Kesman. chers auditeurs, retour au studio après cette belle chanson Tia du groupe Guesband Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, notre invité du jour, c'est M. Hamidou Hassan. Il est agent à la D à la Direction d'appui à la gestion des établissements. Alors, M. Hamidou quelles sont les cotisations demandées par le COGES aux élèves euh, Voilà, les, Merci. Les cotisations demandées euh, aux élèves, c'est-à-dire à leurs parents, elles sont définies par consensus. Parce que tout de suite, je vous disais que pour euh, assurer le fonctionnement, euh, pour qu'un projet soit fonctionnel, il, il doit être capable d'élaborer chaque année un plan d'action axé sur la qualité, que nous appelons en abrégé le PAC. Et ces cotisations-là, c'est la communauté euh, qui définit, voilà les activités que nous allons faire cette année. Une fois que les activités sont définies, il faut les évaluer, combien ça va coûter. Et une fois que c'est soit on fait la sommation. La sommation, en fonction du nombre d'élèves, en général, on fait une division euclidienne. Et on trouve, par exemple, une école va faire, euh, ils ont trouvé, chaque élève doit payer 500 francs, d'autres vont faire, chaque élève va payer 200, d'autres, ils peuvent aller même jusqu'à 5000, 2000, ça, c'est ceux dont ils sont capables. Mais il y a toujours une recommandation, mhm. faites un plan d'action réaliste et réalisable. C'est que la communauté, puisque c'est validé devant chaque parent d'élève, c'est lui qui dit, euh, voilà la cotisation, on fixe la cotisation, on, donne, on ne demande pas les frais de cotisation, on fixe une cotisation, c'est une cotisation libre et volontaires, parce qu'ils ont participé à la validation du plan d'action. C'est devant eux qu'on a tout étalé et, chaque élève, euh, on va maintenant à l'information. Euh, les autres parents qui ne sont pas venus et, les recommander aussi d'afficher même ce plan d'action. Voilà ce qui a été chose et avec un PV à l'appui, à l'appui que, euh, qui doit être à la portée de tout le monde. Et en ce moment, on dit amener les cotisation annuelle pour le plan d'action. Mm. Ça m'effraie quand je dis frais de COGES. Ça ce n'est pas le vocabulaire approprié, ce sont mm-hmm. des cotisations volontaires euh, que chaque école doit chose. Vous pouvez être deux écoles mitoyennes, mais vous n'avez pas peut-être les <laughs> mêmes problèmes. Ici, il se peut qu'il y a beaucoup de tables bancs qui sont cassées que euh, la communauté a décidé de réparer quelques-uns. D'autres n'en ont pas. Et il se peut que vous, vous payez 500, l'autre paye 3000, l'autre paye 1000 francs, l'autre paye 200 francs. Quand vous allez à l'intérieur du pays, vous allez voir dans certains établissements, la cotisation, quand ils ont fait leur plan d'action, ne dépasse pas 100 francs par élève, 200, choses. Où, euh, ça peut être comme vous voulez. Si vous sentez que vous êtes fort, capable de faire ce plan d'action, vous pouvez aller jusqu'à oh là en tout cas euh, ce que vous avez prévu, c'est ce que tout, euh, que tout le monde doit payer. Mhm. pas, il n'y a pas une cotisation fixe. Et la cotisation, elle est annuelle unique. on peut augmenter. Mhm. Par exemple, en cours de route, vous êtes là, il y a un autre problème qui, qui, qui, qui survient une, catastrophe, quelque chose qui survient, mm. là encore, il faut appeler les parents d'élèves. C'est ce qu'on appelle le plan d'action additif. Et là aussi, on dit, en dehors de, des 1000 francs ou des 700 francs que nous avions prévus, il faut encore augmenter. Mais si vous entendez, madame ou monsieur, on a dit euh, d'amener chose, mm-hmm. c'est faux. Généralement, c'est faux. Mm. Un, seul enseignant d'une classe ne peut pas dire à, à ses enfants, amener telle chose pour le ballet. Il y a ceux qui nous disent non, non, non, il n'y a pas. Tout le, ballet, que ce soit le ballet, que ce soit euh, l'eau à boire, que ce soit l'environnement, que ce soit la salubrité, que ce soit la réparation d'une fenêtre, que ce soit la réparation des tables, tout est prévu dans le plan d'action. C'est une cotisation unique. S'il y a quelque chose, on appelle les gens, mhm. soit en assemblée générale à mi-parcours, soit une assemblée générale. Euh, extraordinaire pour mhm. expliquer aux parents, voilà encore un autre problème qui s'ajoute à nous. Qu'est-ce qu'on doit faire S'ils peuvent, ils disent on, fait. S'ils ne peuvent pas, laissons jusqu'à l'année prochaine. Et en début d'année, j'ai aussi suivi euh, sur les réseaux sociaux des témoignages disant que certains élèves ont été privés d'accès aux salles de classe à cause de ces cotisations. Il y a même une note circulaire euh, par rapport à ça. Et quand nous avions, nous entendions ça, c'est pas euh, depuis, ça fait plus de, de trois ans qui dit que euh, l'école là, elle est faite pour les enfants. Et pourquoi on voit les, euh, les, enfants innocents Et c'est mm. un droit pour eux. On n'a pas euh, à chasser. Celui qui a son enfant qui est chassé n'a qu'à se plaindre au niveau des responsables. nous avons des instructions. Allez se plaindre au niveau des, des, des, responsables. Ou d'abord, avant ça, nous avons une structure intermédiaire, ce qu'on appelle au niveau secondaire les FDC, Fédération départementale de COGES, et au niveau des communes, FCC, Fédération euh, communale de, de, COGES, de CGDS. C'est-à-dire que la personne peut aller se plaindre là-bas, c'est à eux d'aller voir qu'est-ce qui se passe, mm-hmm. avant même d'arriver chez l'inspecteur ou bien au niveau régional ou bien au ministère. Puisque nous avons <laughs> vu les cas directement, certains comme euh, le ministère se trouve... Euh, à Niamey directement, vous allez voir, ils viennent au ministère nous dire que voilà, voilà, voilà. Non, non. Il y a des, mécanismes qui sont mis en place, puisque euh, toujours dans la décentralisation, pour en tout cas soulager les parents. Mhm. je, je, le dis, je, le répète, au nom du ministère, on n'a pas à chasser aucun établissement n'a à chasser un enfant pour quelque motif que ce soit en matière de, de mhm. Mais le problème, c'est aussi au, niveau de, des parents. Aussi, eh, eh, ils ne vont pas mm, à des rencontres, à des âgés, et parfois, en tout cas, ils s'en foutent de l'éducation de leurs enfants. Elles ont laissé les enfants à la merci euh, des, choses. Et c'est pourquoi, parfois, ce n'est pas ça. Et une autre, une autre anecdote qui, circule, qui a circulé dans les réseaux sociaux, on peut mhm. dire qu'un enfant peut venir vous dire Ah, euh, euh, maman, euh, le maître vient dire aux élèves, donc amenez 500 francs de Mais L'enfant, quand il va, elle va dire, maman, maître a dit d'amener 1000 francs de COGES. Maintenant, maman, quand elle va dire à, son au papa de l'enfant, elle va dire Ah, on a dit d'amener 2000 francs. de Tout un système alors. <laughs> Et parfois, il y a ce genre de trucs où parfois, ce n'est pas ça. <laughs> Mm. Ok, euh, monsieur Hamidou Hassan, on mm. vous remercie d'avoir euh, répondu à notre invitation et on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier une fois de plus. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et place à présent à notre rubrique hebdomadaire environnement. Le département décanté dans la région de Zender est une zone qui renferme d'importantes ressources naturelles, dont plusieurs espèces d'arbres. Oui, Fanta est parmi ces espèces, l'on note l'acacia albida, communément appelée gao en Hausa. C'est d'ailleurs la plus dominante euh, dans cette zone et la plus importante pour l'agriculture. Malheureusement, c'est aussi l'espèce la plus menacée, souvent avec la complicité de certains chefs traditionnels. Lieutenant-colonel Adamou Moussa, le directeur départemental de l'environnement de Kanté, explique euh, au micro de Moutari Mamadou. cikin komin komin ɗinmu in ɗauki misali komin uku babba komin ta yawuri babba komin ta dungu da komin ɗin dan bartu allah ya arzuta muna da tafukka muna da tafukka in ɗaukan ma yawuri yawuri an yi ƙiyasti an yi raskwana tafkin da bai kwahewa tafki 436 a dakwai cikin yawuri ba su kwahewa duk shekara suna nan sai ruwan damina sun tarda su suna nan wurin amma matsalar da ke gewaye da su wannan shibkan nan ciwo da take mamaye su wadda ake ci makatala bancin ita kuma da kwai iska yana kawo raire shi ma yana ruhi wasu tafuka to kun shi matsalar mu da muke samu nan wurin nan ne makakihinmu nan ne mutane ke samu suna kama kihi da yawa tunda wajen na an san shi da kamun kihi to kun ji matsalar mu muna bukata kuma muna waye musu kai da shibke-shibken itatuwan nan tututur da mar dole sai an shibka su an shibka su a samu irin itatuwan da suke tsayi da rairai kinan wannan albarka ko ku wannan alheri mu ci gaba da amfani da su zancen kawan namun daji eh namun daji muna da su kun san karkara kance karkara kance sai in ci bayyana shi diversité floristic diversité floristic kawo muna da itatuwa kala-kala daban-daban suna da yawa in ka ɗauka kawal ko jihar maraɗi in kun ka ɗauka jihar maraɗi nan mun yi samun itatuwan da can babu muna da kaɗe na ba inda za ka samun kaɗe da kwai shiriya da kwai eh, me ake ce ma abin marke hannu ne su tsada ne babu su babu su yanzu amma su goruban nan me ake ce ma abu ga ɗoruwa duka da kwai suna yan mai important nan ma su ya muna da ona yan peplima isi dalla fure kala sai da asga yan pepliman da roni suna nan masu yawa in ka zo kawal kana gani in ka ta duci kana ganin sha'awar wannan yan pepliman din to nan yayi multiplies pli de difwa na nan duci da kwai shi kenan an term de diversité politique nan e da kwai shi kuma density da kwai to shi shi yasa kenan namun daji ana samun su tunda nan muna da burwai jajjan burwan nan da kwai su kuna ganin su nan in ka ɗoka nan yamma mu cikin daushe da kance da komin ɗin kance da na daushe ana samun su ana kawo mana kullun korayi sun yi ɓanna sun yi ɓanna ya zami mu ta mu kora su muna samun wannan da kwai suna mun daji babu lahi alhamdulillah akwai irin su barewa a babu barewa yanzu barewa nan wuri <laughs> sai dai mu kama a zo mu da kwai shi da kwai kurege da kwai zomo akwai macizai a da kwai macizai akwai macizai kala kala da kwai su mm, haka ne yanzu misali kashe itatuwa yana da tasiri ga gurgusuwar hamada wannan ba ma amazance tunda maganin hamada ice ne maganin hamada ice ne to in an ka kashe shi an yi bar hili desert ke da an ce desert abu inda babu komi kenan inda adda wani abu mai tare iska in babu shi nan dole zuwa za shi dole kenan duka hilin nan mamayewa shi in an kashe itatuwan nan wannan babu shakka kashin ice shine ke kawo hamada Après cette rubrique euh, environnement réalisée en Hausa, euh, on va partir pour notre troisième tour musical. Nous vous proposons le titre Zebanakwe de l'orchestre Toubal de Dosso. l'orchestre Toubal de Dosso. Et nous allons euh, au reportage des régions. Le groupe de soutien Inchin de Matame, Inchi, de Matame de la région de Zender a lancé une invitation à la population pour faire un don de sang à l'hôpital de district de cette localité. Ainsi, les autorités administratives, coutumières et sanitaires ont participé à cette opération de grande envergure. Selon le responsable du district sanitaire de Matame, cette initiative de don de sang vise à sauver des vies. Le reportage est signé à Boussar Kisale. Kwamitin goyon bayan MNSP inci na mata mai ya samu nasarar tara jama'a da pp domin ba da jini wato waɗanda suka hada da waɗanda suka saba ba da jini yau da kullum mahakumta na bariki da na gargajiya da ma jami'an kiwon lahiya domin a ba ita Bank Dusan ta babban likita ta mata mai jini a wannan asabar kin takwas ga watan Disamba na shekara ta 2024. Wannan aikin wanda ya kasance ba shi bane na farko. ya ba wannan ita Bank du Sankin ta mata mai samun jini da fifi wanda zai nisartar da ita da bukata. Abdulkadir Shaya shugaba ne na shi wannan kwamitin na bada jini ya ba mu cikakken haske a game da wannan aikin da suka yi bisa kan dalilan da ya tura su suka ba da wannan jini tare da babban gangami. Likita gida ne kowa sai ya zo yau in ba kawo ba wani naka gobe wani naka ne zai zo. Kenan alhamdulillah wannan gayyata da muka yi ta a zo a ba da jini ina iya cewa alhamdulillah mutane sun sun karba kuma za mu yi sahihiyar godiya da dukkan wanda ya sayo kahoshi nan domin ya ba da wanga taimako na alkhairi wanda yake sadakatu jariya barantana matasa kasa ku ne Nijar kin ta gaba duk wanda zai zama Nijar a gaba ya kamata a same shi da tausayi da jin kai tunda Nijar kin ta yanzu ya kamata a samu tausayi da jin kai a cikin tahiyal kuma zan gode ma ekip ta likita wadda take ba da kokari akan ganin duk wanda aka kawo likita cikin wani yanayin cin hali gani an shayo kan matsalar daga nashi bangare medicine chef na district sanitar ta mata mai dr garba ciwake ya ce wannan babbar dama ce ta samu domin ya tunatar ma al'umma da cewa su guji wannan jita-jita da ake yi a game da cewa a likita ana sai da jini. Likita ba a sai da jini, ka amanta ba mu sai da jini, likita ya ka ba da shi kyauta haka za mu ɗauka mu ba wanda ke da bukata kyauta. Wani sai da sai jini wannan bai mata so ba. Mun ƙara jirgida ne don mutane su ƙara ji. Likitan mata mai ba a sai da jini, ya ka ba da shi sadaka fi haka muke samun masu bukata shi fi wannan shi Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et place à la page sport avec notre chroniqueur du jour, Guruza Hasumi Karimou. Bonjour Guruza. Bonjour Fanta, bonjour Bonjour Guruza. Alors, à Grouza, la Ligue régionale de football de Niamey a initié une rencontre dans le cadre du développement du foot à Niamey. Oui, Fanta, c'est une rencontre euh, d'échange euh, qui s'est tenue ce week-end entre les responsables des centres de formation et les promoteurs des tournois des jeunes de la capitale. L'objectif euh, étant d'échanger avec ces acteurs clés du ballon rond sur le fonctionnement des centres et leur organisation. Cela afin de trouver des voies et moyens pour accompagner ces structures dans leur processus de formation des jeunes. Parlons à présent de la lutte traditionnelle. Tu l'as évoqué déjà hier. Le championnat débutera le 20 décembre prochain à Dosso. ou en étant euh, comme euh, je l'avais annoncé, les différentes régions du pays s'activent pour la sélection de leurs lutteurs. Hier, nous nous avons parlé de la préparation de la sélection de Zender. Aujourd'hui, c'est le tour de Tawa, la capitale de l'ADR, pour savoir comment leur équipe se prépare. Suivons les précisions euh, dans cette correspondance de notre correspondant, Abdullah Daga ranar 27 ga watan Nuwamba zuwa ranar 6 ga watan Disamba shekarar nan da muke ciki, 'yan kokowa sama da ɗari ne suka hallara a garin Buza domin tankade da rairaye na 'yan kokowar da za su wakiltar jihar Tawa a kwambala ta kokowar gargajiya na ƙasa da za a gabatar a Doso a shekarar bana. 'Yan kokowa da dama sun zo inda aka yi karawa na musamman kafin a fiddo waɗanda za a turke na wani lokaci kafin a hudda zakarun da za su wakiltar jihar Tawa. A ce cewar Alhaji Bashir Andillo magatakarda na kungiyar kokowar gargajiya reshen jihar Tawa. Mun zo buzo wajen zazzagi kuma yadda muka ta lahiya an zo ayi zazzagi lahiya kuma mun kare lahiya kuma yara sun zo tunda koci fatama she ta kai an kokowa tunda she da aka yi kwamba kwamba ɗaya bayan ɗaya she da aka yi kusan aka yi ɗa ɗari biyar tunda duk ini she ayi kwamba hamsin. Ka gani don kenan in ka ɗoka gida goma su a ɗari biyar. Shekara bana an samu matasa kuma muna da rai da an su za za ku gani tunda akwai sabin kanu kwarai akwai yara wanda suka kishin jaha waɗanda abuja suka tuhu saboda kishin jaha suka kansu kuma mai yaran suna da kokari muna kyautata zaton cewa ekipkin mu ta bana ta hita bara babban abin da ya fi ɗaukar hankali ga mabuta kokowar gargajiya shine na cewa zakiru zakari a cikin wata sanarwa ya bayyana cewa ba zai yi kokowa ba a shekarar bana sai dai kuma zakirun ya dawo daga wannan zancen inda a shekarar bana tare da shi za a yi kokowa kuma ya ce yana da burin cin takobi idan allah ya sanyaya su duk da karamcin shekarun da ke gare shi inda ya fara da baiwa al'ummar tawa hakuri. Lahi alu nake shi kuma kokuwa ina da niyya abinda nika so ga al'ummar jihar tawa don Allah su rinka hankuri. Kokuwa yanzu ne mun ka fara mu yaran miki Lalle tabbat ina yi da manya amma yaro ne. Ni abinda nika fata to ina yaro. Lalle tabbat ni koko ta takobi da ni shiga ba na shiga ne ba dan a ce na koko ta takobi nan sama ni ta takobi na nika nima Kuma lokaci iya an Allah da za a kashi. Shi takobi lokaci ne gare shi kuma takobi Allah ne gabara shi ba kari ba tunda inda kari ne gabara da takobi da wa'ansu yan kokowa ba ma takobi guda bayani za su ce ba. Kamar sauran jihohi, jihar Tawama na da gurin ganin cewa ta kai ga lashe matsayi na farko na yawan kayuka har ma da samun takobi. A cewar Alhaji Bashir Andillo, magatakar rana kungiyar kokowar gargajiya na Tawa. In Allah ya rida wannan Premier Prix sha Allah, in Allah ya rida wannan shi mun shi. Takobin ma muna fata Ubangiji Allah wa sha Allah Allah ya ba mu. Saboda ka san takobi a bana na Allah, ya Allah kaddato a ciyan ciwo takobi. Amma muna da yara kwarai. man dan kokowa 20 na kamata mu duko ne, he da mun kudu kudan kokowa 20. ashirin da biyu ke ashirin da biyun ga deja suna nan ke yanzu cikin suna za a zuwa kuma ya tangade da rere a yadda sha shida wannan za a tiya da su wajen kokowa da goma na kahin goma da biyan na reserve da guda dan is dan kilo sittin yanzu haka dai kallo ya koma ga garin kehehe na tabalaka mai ruwa inda ake turkar yan kokowa kafin ake isa da su babban birnin doso domin kwambalar kokowar gargajiya ta shekarar bana. Euh, voilà, c'était là l'ambiance euh, de la reine euh, ou bien des préparatifs des lutteurs de Ottawa. Fanta, Ruki, à demain. Merci Gourouza pour cette page sport. Et cette fois-ci, enchaînons avec la rubrique portrait. Oui, de la rubrique portrait de ce mercredi, nous vous proposons de découvrir Amadou Yakuba Larwanou. Ce jeune et talentueux comédien nigérien fait vibrer la toile avec ses vidéos les plus drôles les unes que les autres. Sa page Facebook intitulée Wanuski Montana compte plus de 600 000 followers. Son portrait que j'ai réalisé. Très présent sur les réseaux sociaux, Amadou Yakouba Lerwanou, connu sous le nom de Wanuski Montana, est un jeune comédien de 24 ans qui divertit les internautes à travers ses multiples vidéos drôles. Et pourtant, l'humour n'a pas toujours été son domaine de prédilection. Diplômé du lycée technique d'Angasawa de Maradi, il poursuivit ses études en informatique de gestion à l'IAT de Niamey. Mais ce n'est qu'après avoir suivi plusieurs formations en humour et en audiovisuel qu'il intégra de plein pied le milieu artistique. J'ai fait des formations en humour, formation en audiovisuel qu'on a fait avec les, les, comment on appelle ça, les réalisateurs nigériens comme Moussa Hamad Jingere et euh, Aisha Maki. Une formation en humour stand-up avec les comédiens euh, comme Titus Cosmas et euh, Valérie Ndongo. Après, j'ai commencé l'humour stand-up. Il nous raconte comment a débuté sa carrière d'artiste comédien en 2017 alors qu'il était au Ghana pour ses études. On s'ennuyait avec mon ami, on a décidé de prendre une caméra et essayer quelque chose de drôle parce que lui aussi il me trouvait tellement drôle on s'est dit, ok, attends, si on, allume une caméra, ça, risque d'être drôle. On a fait ça. on a posté sur les réseaux, ça a un peu cartonné. Bon, voilà, c'est comme ça j'ai commencé à poster des vidéos. Selon son ami d'enfance, Issa Salou Baroum, comédien lui aussi, Wanouski sait mettre beaucoup de rigueur et de sérieux dans tout ce qu'il entreprend. Wanuski, il travaille vraiment sérieusement. C'est vraiment un gars qui aime ce qu'il fait. Quand il vient avec la caméra, il dit tourne, on tourne. Même quand il n'y a pas d'issue, on lui dit non, il faut laisser demain. Il dit non, non, non, on tourne aujourd'hui. Genre, même s'il n'y a pas de solution, on fait tout pour tourner la vidéo. c'est un gars qui ne laisse pas à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Voilà. Wanuski Montana ou roi Amadou Yakuba continue de distraire les jeunes internautes avec des vidéos plus drôles les unes que les autres qu'il publie sur sa page Facebook. Celle-ci compte actuellement plus de 15 000 abonnés. Place à présent au loti du Desk Femme du studio Kalangu. Ce mercredi, cette euh, rubrique traite des violences en milieu professionnel, un problème sérieux qui touche de nombreuses femmes et les pousse à quitter leur poste. D'où l'importance de la dénonciation qui permet de fournir un soutien essentiel aux personnes affectées. en écoute. nake ji ne wane ne laila me kike tsaye bakin ban daki shiga Allah ki hoto ki bani wuri a matsayin ki tanti maimuna ni ma ban samu na shiga ba ku ga jin waɗannan kuka ina jin ana kuka ƙasa ƙasa akwai wani ciki da ke nan kuka cin ban ɗakin nan tsaya dakata min kowa ne a'a rahina ke ce me yasa me ke wani ya gasu ne ki da lahiya ne ina hankali lela lallaba ta kaɗan rahina miya akai zo zo zo zo mu je kina son mu tattauna akai ba komi kuna yi wuce ku shiga a a a ba kalo ba dai da ba huska kiwa to duk kin canza lokaci guda ya ne aka yi wai zo zo zo zo ku zo mu je sashe na ku zo mu gani can kin mun samun sirri mu tattauna rahina kin ga dai mu abokan aiki ne kuma ko ba komi ne na aike ki sannan kuma lela duka shekarun kuɗi warin ki ce kina iya ki bayyana mana abin da ke damun ki ke da da mu in kuma kin ga yanzu baki shirya ba za mu jira ki lokacin da ya dace duba da Allah wadda duk huska ki ta canza kamar wata da bata da lahiya hawayen ki sun kisa tsaya suna ta zuba na san da akwai wata matsala tun kwanaki ina ta kallon ki yi nazarin nan in kuma abu ne da ya shahi ki baki son ki magana ni ina shawarta ki da ki ki nemi masana waɗanda sun ka kware don hira da mutane bisa kan abin da ke damun su tun da tana yiwa mu ba ke da mu ba a'a ba haka nan bane ko yakuri da Allah matsaloli na dai ne ban san ba ina zan sa su na gaji kuma tsoro nake nan gaji ban san ya zani ba habba ki hakuri ki dan kwatanta haka nan dai tunda kin gani matsala in ka faɗa ma wani ka iya samun mahita in ma ta gidanki ne ko nan ne wurin aiki tare za mu nemo mahita ko ba haka ba kenan i magana wallahi duk na da nake haduwa da su wajen aiki dai ne kuma na zo ban jin daɗi ina Allah Allah ma koma gida. Ikon Allah, to me kawo haka? Saboda wani abokin aiki na ne, ko da yaushe na takura mu rayuwata kullun idan shi na kaina ko kaya na sa kullun sai ce mun ga su mai kyau su yi do jikinki yau ma sai dai kama hannuna ni abin ya ishe ni wallahi tura ta kai bango abin ya ishe ni ce sa nake ta wannan kuka da kuke gani kai kai kai wanga zake wakshi ta yi wani irin namiji ne ya kamata in mishi magana a a a abun ma ni ni ya ban takaici wallahi wai wane ne kai laila ya haƙuri ki hona sanki da zahi rahina ci gaba muna sauraron ki abin ya hora ne da har ce min kayana sun yau na yi kyau da harin ban jin daɗin abubuwan nan da yake ban da aure sai na kyale shi amma yanzu na shekara biyu da arme duk da hakan dai na ci gaba da takura ma rayuwata kwanakin bayan cin ya taro na dinga cin abinci har ma ya ce ina ma a ce koma gidana da zama da ya rinka cin abinci masu daɗi da nake yi amma wallahi mutumin nan babu kumya ga idanun shi kuma mutum ne da muke aiki tare da shi a wurin nan ai bai kamata kina yarda da irin wannan abubuwan ba ke ko da ke budurwa ce ko mata aure wannan bai dace ba nan wurin aiki ne muke kenan ya kamata ya girmama ki bai kamata kina yarda da wannan abun ba wanga musgunawa ne yana ga cin zarafi ne ai kuma bai kamata ki shiru a kai ba ha wannan magana ce yake faɗa miki ta ƙasa ƙasa kenan ya kamata mu gaya ma manyanmu don su ɗauki mafita ya kamata ma ke ki gaya mini sunan shi in ke baki son ki mishi magana ni kan kai na zan mai magana saboda ma mu samu mu ceto rayuwar wasu abokanan aikin mu mata yalla in ma ba su cikin halin da kike ciki su ma sun yi shiru a'a bai nan ga mu guda min tunda kullun dariya ke min magana amma da abubuwan da ne ba su nan ga birge ni rahina sauraron nake ji wannan nacin da yake nuna miki shine ake ce ma cin zarafi babban laifi ma ya zo ya taba ki har da wani kame hannun hannunki yana neman ya yi miki magana shin sai ka kama hannun mutum ba da baki ne ake magana ba kuma yana miki shi a cikin aiki wannan abin da yake yi wallahi babban laifi ne wanda kuma idan har ya ci gaba da yin shi irin wannan yakan sa ma mutum ya samu matsala har ma ya kai abin baya ga wurin aiki har ya taɓa ma rayuwar shi gaba ɗaya wannan shi ne ake ce ma musguna ma mutum ta fannin kiwon lahiya ta fannin tunani ma ta fannin ma rayuwar shi gaba ki ai tanti mai muna ka koyi nisa ba gashi ba yanzu mun iske ta da sahin tana kuka cikin banɗaki kuma wannan bai dace ba abu ne kuma da baya da kyau kenan abin ya haka taba kwakwalwarta ma ba mu yi aniya ba kuma ki san da cewa ana iya tugumar shi saboda ya taba ki saboda ki san da cewa saboda ki san da cewa dokar aiki cikin ayarta ta arba'in da biyar ta hana ka nemi wani abubuwa na ga jikin mutum ko ko kai neman wani lalata da shi saboda kana gaba da shi ko ko yi karhin shi wannan na sa a kai mutum kurkuku kuma da tarar kuɗi hoki in gaya miki kuma abin da yake yi ne shi a'a ba ni so mu kai can kun san ne kuka abin yana wucewa kuma ban son ja mishi matsaloli na je sama na yi son rike abu gare ni ni ban son ja mishi matsala da Allah ku bar hirar kaina barci haka nan haka zaki ta dawo ma sai ƙarshen rayuwarki ko ko sai wani abu ya same ki bai kamata ki ji wai laihinki ne ba ke baki da laihin komi cikin wannan shi ne bai kamata ba yayi abun da yake yi baki ce a dube ki ba baki tambayi komi ba kuma kowa bai kamata yi rayuwa ba a haka wadda kike nan gayi kar ki damu komai zai wakana yadda ake so mu dai yi magana wa mu laila wai ni a tunani na ba shi ne kina cikin wannan kwamitin da aka kawa ba wanda zai karɓa irin wannan ƙorafe-ƙorafen haka ne tanti amma har yanzu kwamitin bai zamnu ba saboda shi ne na ga ya dace mu gaya ma shugabanninmu na wurin aiki su za su samu hanyar da ya kamata a bi don a shawo kan wannan matsalar saboda tana yiwa shi wannan abokin aikin namu yana ga wannan abubuwan ne ba cikin ya san da cewa ba abun da yake yi ba su dace ba kenan ya kamata a ji hankalin shi na gode sosai da shawarar da kuka bayan da har nake azlehin daga ni ce har nake zan sake kayan da nake sawa kuma nake cewa ma zan ajiye ma aikin don huta da wannan jarabar diba duk wani cin zarafi da ake ma mutum ra'ina ya kamata a ce an bayyana shi ko ta hanyar ka zo ka tattauna ne da baki da baki ko kuma kan a rubuta ne kan shafin yanar gizo ka aika ma mutum ko kuma a rubuta ne ta na'ura mai kwakwalwa ka tura ma mutum ko kuma dai wata hanya ta daban wannan shi ne zai sa a rinka sanin takamaimai wani irin yanayi ne ake ciki musamman ma a wurin aiki tunda idan ba a bayyanawa matuƙa a za a sani har ma a ciwo kan matsalar yanzu ai na gane na gode sosai ku rike wannan sirri da Allah ku taimake ni ku ɗauki wannan magana sirri na muku kamar na bayyana abun ne da Allah ku taimaka mini babu komi rahina yanzu abin da nake so da ke ki aje hankalinki ko ma ki je cikin banɗaki ki wanke huska ki tas ki koma ki aikin ki tamkar wani abu bai faru ba insha Allah tanti gode Laila kula da ita insha Allahu za mu kula da wannan abun ai wannan mata suna cikin haɗari kowa da kowa mu. Merci aux desk femmes du studio Kalangu pour ces lotis très édifiants. Passons à présent à la rubrique culture linguistique. Et le mot de la semaine est corruption en Zarma c'est avec Nafisa Adam Sirfou. Rukayen de Fanta aran kanibani studio kalangu de Niger sur kalangu hangan kai aran waita bani hunkuna alarba ir garan kubaini da farha ir hani zai sanni zai fassara su desambr a nasar han dojir biyagga gati zaro kan ikatan ga kan labun labundu labai gamra nukaddo da kwasarabon zaro ra igbon fere yante ga duga sandawo kwasarai igi borai labun da labu citi fonda kan igorandi ga duga wa da nukando nukando dai sandai berino labuse zama a ga labojin tafar nukandowo wo borai yanga te gwaice ciyanse tali yansi jin yance ciyansi cim ciyan taribo jin funai do wala ci citufuwaido rukayen da fanta ma ga faham kan labukan ranukan ba a sudu jin koyen a al'umma mosi zada to niger surkalango hangan kai Voilà, mi auditeurs et auditrices, c'était la culture linguistique avec Nafisa Adamou Sirfo. À présent, nous allons écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ni sunana haruna aliou directeur ne na école mai ne'e eh. to a matsayin mu na mushunan karkara da bremen mm, muna bin sau da kawo na shirye-shiryen studio kalangu a takance za mu ce muku muna jin daɗin shirye-shiryen studio kalangu surtu da mu 'yan karkara wannan da ba ko ina muke samun labarai ba yanzu da ya zamanto mun ba studio kalangu karhi muna samun labaruka duk abun da yake tahiya a cikin mu a game da yanayin aikinmu zuwa ƙasa da take zamne da sauran ma kuma ƙasa da muke hulɗa da su duka muna jin abubuwan da suke tahiya to sharan da za mu ba ma studio kalangu kenan da za ta inganta aikinta kamar yanzu mu a matsayin mu na 'yan karkara wannan muna so ya zamanto a tabo abubuwan da ya shahi karkara kuma abun da ya shahi kamar yadda aikinmu na mumushuna yadda zai zama tun da 'yan karkaran ma suna sauraro kenan in ana nan ga kawo su abubuwan da ya shafi harkar makaranta ana sensibilisation kenan yana yana taimaka muna mu kuma yana kara ma aikin muhimmanci zuwa ga 'yan karkara sunana lawali musa auditor ne na studio kalangu a nan mai nisorawa gaskiya emission na studio kalangu yana burge mu sosai muna sibir in shi da ba zafa babu yankewa irin wannan hmm. eh, kuma emission inda sosai yake burge mu kamar mu yawanci mun cika shuraren shi marece kuwa tun lokacin ne muke dan dawo mu zamna mu yi burgin abubuwan da ake yadawa a saman wannan kanal shirin da ya burge ne review da press wanda ake dauko duk abubuwan da aka yi hawara yan jarida duk abubuwan da aka yi ana tattaunawa kowa yana ba da ra'ayin shi akan game da abubuwan da suke gudana to shawarar da muke bada studio kalangu dai su kara yada abubuwan su a wannan shirye-shiryen su a rika taɓa ɓangaren da ya shahi ɓangaren al'adu da wani ɓangaren da ya shahi ma'amala cikin mutane wani bi a karkara ya kaji an wuri ka ban mu shuraren studio kalangu wuri ka ban mu shuraren kamata a yada abin ya zama ko ina ana samun su akai akai Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Et c'est ici que prend fin cette émission de ce mercredi 11 décembre 2024. Vous étiez en compagnie de Shamsou et moi-même Top L'édition a été assurée par Adam Dawaki et à la technique, c'était Amina Hassan. Excellente journée à tous.